Le jogging c'est une activité qu'on a commencé le mois dernier. Le jogging ça veut dire le sport écologique, c'est-à-dire venir marcher tout en essayant de rendre l'environnement propre, notamment en ramassant les, sachets plastiques. C'est véritablement ce que c'est léco jogging Donc faire du jogging en faisant aussi de la salubrité. Euh, pour cette fois-ci, on a eu, je crois, une vingtaine, une vingtaine de sacs euh, des sachets plastiques. C'est-à-dire on a fait des sacs dans lesquels on ramasse les plastiques, on met, on a eu plus d'une vingtaine. Ces sacs-là, vous connaissez leur capacité de leur contenance euh, on va dire ils ont une contenance d'à peu près euh, celle qui peut avoir un sac de 25 kg de riz. Puisque quand on met les sachets plastiques, on a l'avantage de pouvoir encore entasser en bas. Donc c'est vraiment beaucoup. Pour remplir un sac, il faut beaucoup de sachets plastiques. Pourquoi le choix du stade général Saint-Coutier on a choisi le stade général Senkunche parce qu'on était venu, la première activité, on l'a faite en dehors du stade. C'est-à-dire, euh, tout au long du mur, on a fait le tour. À l'intérieur, une fois qu'on était rentré pour faire notre petit sport, on a remarqué qu'il y a beaucoup de sachets plastiques durant les parcours de santé, donc les 1,5 km du stade général Senkunche on a jugé utile de revenir pour rendre cet endroit la propre. Aujourd'hui, si quelqu'un peut venir regarder, il verra qu'il n'y a plus rien en ce qui concerne les sachets plastiques. Maintenant, quitte à ceux qui utilisent cet endroit-là de, de, vraiment être responsables et utiliser les poubelles qu'il y a sur les lieux. Comptez-vous rendre cette activité pérenne Oui, oui, les, jeunes volontaires du Niger vont continuer à faire cette activité. Puisque aujourd'hui, on remarque que les stades, ça va, on va essayer de cibler un autre endroit utile pour la population et essayer aussi de les débarrasser de tout ce qui peut être nuisible pour l'environnement. Quand vous dites d'identifier un endroit, quel genre d'endroit est-ce dont vous prévoyez de... Par exemple, ça peut être un CSI, ça peut être une école, ça peut être un ministère. Notre première activité, on est rentré dans, le ministère de la Jeunesse et Sport pour le faire. L'essentiel pour nous, c'est de servir la communauté, identifier un endroit propre à tout le monde et essayer de le rendre propre.